On va revenir euh, immédiatement pour faire les choses de Jeanne Péoua depuis la Voix de l'Amérique. Nous sommes de retour euh, ici à la Voix de l'Amérique, Jeanne euh, Pélois, Pelema depuis le studio. nous sommes rejoints par sedina à depuis euh, Dakar. Euh, Célina, c'est un match très important pour le Sénégal en général, puisque c'est quand même l'Asdouane qui représente euh, le Sénégal à dans cette nouvelle ligue qui vient juste de démarrer, une ligue professionnelle qui voit le partenariat de la NBA et la FIBA Afrique qui travaillent ensemble euh, pour cet environnement nouveau pour le basketball africain, Céline. Oui, euh, comme tu l'as dit, euh, c'est euh, une nouvelle rampe de lancement pour le développement du basket-ball africain et le développement surtout du basketball à la base, parce que ça va permettre de mobiliser les centaines de milliers de pratiquants qui sont à travers le continent. Et surtout, ça va permettre aux jeunes de rêver comme au à et de voir qu'il y a la NBA, mais il y a également la bourse qui peut le permettre à euh, une professionnelle dans le basketball africain euh, Le match va commencer, la Le match va commencer, Sedina, du côté de, du Sénégal, Ndour, Job, Gay, Kamara, Acha. De l'autre côté, Abala, Elma Brooks, Sliman, James et Ben Ramdan. Le match va se jouer jeudi en, en passage bonjour euh, à Alphonse Boaké à Kinshasa. Et les douanes ont le premier ballon et le premier shoot et le premier échec. Du coup, le premier rebond sera pour Intermajoc. Ils vont devoir résister à cette équipe de Monastir qui est sanctionnée d'une première faute d'attaque. Faute offensive, Macra, même Attention parce que c'est pas parce que ce sont les meilleurs sur le papier qu'ils vont gagner. J'ai eu la chance d'assister à l'entraînement il y a deux jours. Ils se sont pris la tête, mais comme j'avais rarement vu, et ils ont dit ensuite, ce qui peut nous tuer, ce sont les égaux. Bah, S'ils le savent, tant mieux. À la, fin du, à la fin de l'entraînement, le coach leur a dit ce genre de comportement, ça va nous tuer. Heureusement que ça tombe sur un entraînement, ça serait un match, on serait mort. En tout oh. cas, le premier contre pour Atermajok, c'est parti déjà très très fort défensivement. Présence très dissuasive dans la peinture. Adam Sliman, très court. il va falloir varier le jeu hein. pour la S-Douane. On sait que ça a été un des petits problèmes offensif Un petit peu trop abusé du shoot à trois points. Mais en tout cas, c'est une faute. faut déjà sportive. Hein. sifflé contre Diop. il gêne, euh, la relance. Voilà. Faut anti-sportive. Cette équipe a hein, de, de l'US Monastir qui a vraiment vraiment euh, très fière allure. Quand on voit que dans son 5 majeur, il y a des Ben Robdan, des Elma Brook Slimane, que d'expérience, que de talent à tous les postes. Et eh oui. Attention parce que sur le banc c'est chaud aussi. Hein. Ils ont un banc très important. Et parfois c'est là que se fait la différence quand on voit ce qu'a été capable de sortir comme performance Wael Arakji euh, lors du deuxième match par exemple, ah c'est impressionnant. Ils ont aussi Chris Crawford sur le banc, ils ont ils ont du talent à oh. tous les étages. aussi... Très bien fait, très bien fait ce cut hein. de Ben Romdan sous le panier. Allez, résister, résister dans ce combat pour une place en demi-finale. De toute façon, pour les nous il faut jouer sans complexe. Oh, la bonne passe. Jouer comme ils savent jouer, sans complexe. Respecter l'adversaire, mais pas trop. Voilà, jouer et puis adieu que ah, il y avait une bonne passe là entre Atia et Diop. Elle était un peu trop puissante, c'est dommage. Je le disais, hein, blessure de Birem Guy dans le premier match. Il a joué 6 minutes, blessure au mollet. Il n'a pas joué depuis. Une blessure qui nécessitera 4 à 5 semaines d'absence. Mais bon, voilà, on sera déjà parti depuis longtemps. Et Louis Adams aussi qui est blessé. Adams aussi, bien sûr. Ils ont 4 blessés, tout simplement. Ça fait beaucoup. Et la position préférentielle. Oh, bien joué, l'extra passe. Liman dans le corner tout seul qui refuse le shoot. C'est bien défendu par Atia. El Mabrouk va aller chercher la faute. Il avait un jeu tout ouvert là, Sliman. Il n'a pas osé le prendre. El Mabrouk n'est pas d'accord. Il espérait, espérait trois lancers francs. Il aura remise en jeu sur le côté. Et on le retrouve ici, El Mabrouk. Omar Abada L'écran d'Atermajoc qui va peut-être être retrouvé par son meneur. On n'en a même pas besoin de retrouver le gros Atermajo. Omar Abada il va tout seul. Vitesse du premier pas, dévastatrice de la part euh, d'Omar Abada. belle passe aussi d'Alcalindo. Oh. Et Atia, bien joué, qui a, qui a posé un dunk, un énorme poster lors de la phase euh, de groupe. Romdan pour oh Voilà Le dunk à deux mains pour le Sud-Soudanais. Et ça va peut-être enfin lancer son tournoi parce que depuis le début, il est un peu décevant à Major James. C'est un défenseur hein, principalement. Ah, ça c'est bien aussi le cut là de Radwan Sliman. Le rebond pour Atia, ça va repartir de l'autre côté. Gay Allez, essayez de trouver de la fluidité là, essayez de courir un peu, faire bouger le ballon, faire bouger les hommes. Le shoot à mi-distance, un peu long, le rebond pour Atermajoc. C'est dommage, la Camara qui est un petit peu long encore. Ces là il va falloir les mettre. Hein. On sait que c'est une équipe qui pêche par, euh, par les centimètres, qui n'a pas beaucoup d'intérieur. Alors, il va falloir mettre ses tirs extérieurs. Est-ce que ce n'est pas la deuxième de Gay déjà là hmm, La première était sur Gay, c'est sûr. Si c'est sur lui, c'est la deuxième. Hein. Regardez cette passe aveugle hein, de Macron Ben Robdan. Et puis boum, badaboum, le dunk d'Ater Majok. Waouh. Qui était hors de lui lors de l'entraînement il y a deux jours. Et qui pestait contre le manque d'implication défensive de ses partenaires. C'était une opposition à 5 contre 5. Ah, vous savez, parfois, faut pas trop non plus rester sur ce genre d'attitude aux entraînements. Hein. Euh, non, bien sûr que non. Mais il y, en, a qui en ont besoin pour performer. Ils en ont parlé en interview d'eux-mêmes hein, sans qu'on leur pose la question. C'est que c'est pas un problème d'un jour. Camara. Au-dessus de Ben Ramdano. quel angle il a trouvé. Superbe shoot. Il le avec le plexiglas. Très très bien fait en se retournant. encore une fois. Il y a encore un oubli. ça a été bien fermé en revanche. Il va falloir défendre sur les cuts de Ben Romdan qui part toujours à l'opposé et qui bénéficie d'un écran. C'est une sorte d'attaque en flex offense. Il va falloir gérer ça. Une sorte d'attaque en quoi Malik Flex offense, une attaque flexible. Très bien. Loin de moi, imaginez me moquer de votre accent, hein. attention. Hein. Ah non, non, non, de toute façon, je l'ai enseigné, je l'ai pratiqué. petit peu. oui, ils sont un peu obligés. Mohamed Sadi. Parce que Gay, a deux fautes, donc c'est Sadi qui va rentrer. Chris Crawford de l'autre côté, Sadi le Libyen. bien il est colère là. Il est colère El Mabou. Ah, ils sont toujours euh, énormément colère de toute façon. Dour le jeune capitaine des Gablous. Gros gros potentiel aussi. Eh oui. Déjà très bon, mais il a tellement encore une marge de progression énorme ce, garçon-là. À 16 ans, il jouait déjà avec les seniors. Et il est capitaine de cette équipe depuis 5 ans. Et il est un des plus jeunes. C'est vous dire. Gros gros tempérament pour ce garçon. Le potentiel, le leadership d'Alcalindo. Gros tempérament et un garçon charmant ah à côté de ça. De toute façon, si vous n'avez pas, si pas de tempérament, pour réussir en haut niveau, c'est compliqué. Hein. Et là, il a décidé de s'occuper personnellement du cas Abada. il, y a du, y, a du monde, attention, hein, côté Monastir, surtout sur les lignes arrières. Voilà, regardez. Et vous allez voir à un moment donné, c'est Ben Romdan qui va couper en dessous a pas besoin de couper puisque ce shoot à 3 points est pris par Abada. Il y a un panier de contre-attaque. Là, très beau oh. compte pour Abada qui s'est bien rattrapé. Il lui pique le ballon sur son impulsion. Atermajoc est trouvé pour un dunk facile. Sadi ne peut rien faire contre la taille d'Atermajoc. 2m10, c'est beaucoup beaucoup d'envergure, beaucoup de, verticalité à Termajoc. Ce qui n'est pas bon signe Malik, c'est que dans ce début de match, ce ne sont que des paniers faciles pour l'instant ça c'est difficile qu'on passe, mais bon. Mais il a des bonnes mains, attention, hein. il a de très très bonnes mains. Et là vous allez me dire, attention, il a, joué en 3 contre 3 parce que vous me le dites à chaque fois et j'aime beaucoup quand vous parlez de ça. Moi j'ai rien dit moi. Vous allez me dire, je vous connais, je lis en vous donc, comme dans un livre ouvert. Omar Abada a participé au championnat du monde de 3 contre 3. Ah, je, ne le savais pas. En 2014. Très bien. Ben <laughs> Allez, sur le post op il va y aller tout seul, va oh, bien jouer la feinte, il va chercher la faute. Oh là quel talent pour Ben Ramdan et très bon esprit qui va aller relever son partenaire. Ouais, faute de Diop et les fautes qui s'accumulent petit à petit. Et c'est déjà la quatrième faute d'équipe. à hein, Côté AS 1 on va prendre un, temps mort. Du coup, 12 à 6. Monastir bien rentré dans sa partie. Petit commercial break, on revient à 4 minutes 53 secondes euh, de, la fin de ce premier carton, on voit une équipe... Euh, de Monastir qui mène 12 euh, à 6, mais au-delà du score, on peut voir quand même qu'il euh, crée d'énormes problèmes sur le plan offensif à cette équipe d'Est douane Il joue un système de jeu qu'on appelle le flex et on voit les joueurs de douane tomber dans des écrans et ne pas être libérés pour suivre leurs hommes, ce qui fait que cette équipe de, de Monastir marque de panier très facile il va falloir que le coach, le coach Gay euh, puisse faire les, les, les, ajustements nécessaires justement pour euh, échanger, puisque les joueurs ont à peu près les mêmes tailles, mis à part euh, euh Majok et Ahmed, qui sont grands. Tous les autres joueurs sont de taille équivalente et ils doivent pouvoir, lors de, cette, de ce passement d'écran de, de, qu'il y a durant le flex, euh, être capables de retrouver leurs hommes le plus rapidement possible, ou du moins anticiper, au lieu de tomber dans l'écran, euh, essayer de sauter l'écran pour euh, échanger d'hommes s'il le faut et, être toujours dans les meilleures positions pour pouvoir aborder ce match-là. Au lancer franc, nous avons, nous avons Ramdan qui va, qui va revenir. Nous repartons dans le direct. un peu le bon pour gay Modou Mbaye fait son apparition et son numéro 15. Euh, toujours mal réglé au lancer franc, Makram Romnen Il nous avait gratifié de deux airballs avant-hier. Comme quoi n'importe qui peut en louper. Ah, il est encore court. Il est encore très très court, hein. c'est assez impressionnant. Kalindour qui attaque. Sadi à 3 points. Allez, le rebond offensif peut-être une fois elle bien gentil. Nouvelle faute, nouvelle faute de Camara qui empêche euh, Radwan Sliman d'aller au rebond. Vous parliez des deux lancers francs ratés, euh, des deux airballs de Ben Romdan. Savez-vous à quel pourcentage il est sans regarder vos fiches Non. 30%. Au lancer franc, hein, je parle c'est catastrophique vraiment, est vraiment pas digne de, ce joueur-là. Slimane en a shooté que, que 3 sur la compétition, il en a mis 2, 66%. On a des stats, ça y est, un petit peu, qui, arrive au compte-goutte. On progresse. Ça s'améliore. en temps on n'avait vraiment pas de stats au début de la compétition. En même temps, il n'y avait pas eu de match avant aussi, c'est vrai. bien sûr deux pour Slimane, mais encore un rebond offensif récupéré par Monastir. Et Slimane va peut-être aller jusqu'au bout, il va aller encore chercher une faute. C'est très bien fait, il fixe son défenseur et il attend l'arrivée de Radwan Slimane qui va obtenir deux lancers francs. Première faute d'Atia. De toute façon, le problème il est établi, il est clair. Les problèmes à l'intérieur de la S-Douane risquent d'être très rapidement rédhibitoires. Ah, ça va se payer, ça va se payer cash. C'est pour ça qu'il faut euh, en attaque, trouver des solutions sur l'extérieur, sur l'intérieur aussi. Vu la puissance qu'a cette équipe de Monastir à l'intérieur, parce que sur le banc il reste encore Gayaza, il reste encore, il reste encore du monde. Layani. bien sûr. Il, va falloir euh, faire le match même plus que parfait. Parfait, ça suffira bien. Ça, c'est clair. Ben, je ne serais pas surpris hein, de les voir passer un moment en zone à cause euh, des problèmes de faute et de la bataille à l'intérieur. Nos amis les Gablous. Mamadou Faye également sur le parquet. lui qui a aussi posé un poster de furieux. Eh pourquoi il refuse le panier, Là, il le refuse pas, peut-être. Extra passe. Et Fay va aller oh, jusqu'au bout. Oh là là là, super les appuis décalés de Mamadou Faye techniquement très très bien fait. Un des meilleurs remplaçants dans cette compétition. Omar Rabada. Regardez, comme si on faisait la passe à 10 au collège. Et c'est ce que disait, euh, je, crois que c'est un joueur des, Patriotes qui disait ça, faut que je vais retrouver c'est qui, il disait ce qui est très très fatigant avec cette équipe de Monastir, c'est qu'ils vous font courir pendant 20 secondes bah, et ensuite ils trouvent un bon shoot. Pas un shoot, hein, un, bon shoot. Ça use. Ça use à la fois physiquement et mentalement. C'était pas un joueur qui disait ça, c'était l'assistant coach des Patriots, Emmanuel Mavomo. Le ballon va rester quand même pour a Monastir. 9 secondes sur la possession. Pour l'instant, l'équipe tunisienne qui gère son avance sans forcer, très confiante. Et qui a encore tellement de munitions sur son banc. Crawford. À 3 points. Il est très loin, Chris Crawford. Il est également un petit peu long. Voilà, faut qu'il continue de bouger, de faire bouger le ballon. Et c'est Fay hein, qui est agressif, qui ressort. Camara. À trois points, ça eh tombe dedans pour Camara. C'est un très beau shoot. Ça c'est bien, bien fixé. par Fay qui ressort le ballon dans le corner et Camara qui sanctionne. C'était, pardon, c'est une erreur, c'est pas Camara, c'était Mbaye, pas du tout. Problème de numéro, désolé. D'ailleurs pas compte. Il y aura une faute ou c'est juste un ballon euh, récupéré. Non, c'est juste récupérer On revoit hein, la très bonne fixation de Faille et ça ressort. dans le corner. Mbaye dans le corner. Je vous ai induit en erreur et je, la prends sur moi celle-là. Chris Coquelin à son tour arrive sur le parquet. Intermajoc sur la ligne de lancer franc. clé dont on attend beaucoup, hein, qui pour l'instant est moyen. Ne permettez pas même de peser beaucoup plus. <laughs> tout simplement. Alors ça c'est un événement. Intermajoc qui rentre, ces deux lancers francs, c'est un événement. Et pourtant il est à 6 sur 8 sur la compétition. dit Coquelet. ça, ressort. Pour renverser ça. Pour Mbaye, marcher, siffler. Marcher au départ. Mbaye qui est pris par la patrouille. Bon. C'est dommage, c'est dommage. Il faut limiter un peu ces pertes de balles, ces cadeaux qu'on offre à l'adversaire. La douane est encore dans le match. Attention à l'accélération peut-être de l'US Monastir. Ça c'est bien. Très bonne extra passe de Crawford pour El Magrouk. Heureusement, c'est pas sanctionné. Le ballon reste tunisien. Et Makram Ben Romdan qui était encore devant son adversaire sur un rebond offensif. Il va falloir limiter hein, son influence. Enfin, d'un côté, euh, si, on, limite l'influence de Ben Romdan, il faut aussi limiter l'influence de, de Slimane Dabada. Enfin bref. Ça, c'est une bonne euh, récupération par contre. L'interception. Côté AS Faille. À l'intérieur, on va jouer. avec Camara, justement. Le rebond pour Abada qui essaie d'accélérer le jeu. Ils sont très dangereux quand ils peuvent courir. El Mabrouk, Crawford, catch and shoot pour l'américain, ça ne tombe pas dedans, il n'est pas réglé encore pour l'instant. ça c'est bien fait encore. De la part de Faye. Alors là, on a été perdu un peu par le speaker qui était en train d'annoncer un marché, mais pas du tout en fait. <laughs> non, non, il y a deux points pour Mamadou Faye. Ah, encore une fois, c'est bien fixé. Encore une fois, c'est bien fixé. Et ça ne rentre toujours heureusement pas. Heureusement que l'US Monastirienne, pour l'instant, est très très maladroite longue distance c'est tout bénef, hein, c'est tout bénef euh, pour euh, l'AS Douane. Oui, jusqu'à ce que ça rentre, malheureusement. Et à eux de varier, ils ont un Termajoc en dessous, il faut lui donner des ballons. Faille est très loin. Et Faille avec la planche, l'escroc, il n'avait pas lancé. Et ça permet à l'AS Douane de revenir. Ah, le bank shot de Faille qui fait du bien à son équipe. Ils reviennent à moins 1. Me plaît beaucoup ce joueur en sortie de banc énormément de talent pour ce, garçon. Ah, il a un impact immédiat à chaque fois qu'il rentre. Abada qui est encore une fois qui, qui va pas réussir à mettre ce, ce lay-up là. Ils, sont, ils sont mieux rentrés là, ça y est, Ils ont eu un petit peu de mal en début de match la S1 avec ce 6-0 encaissé, mais bon, <laughs> voilà aussi, il y a toute l'armada de l'US Monastir qui arrive. Aragji fait son apparition et Mokhtar Gayaza alors vous êtes un spécialiste des surnoms, Malik. Est-ce que vous connaissez le surnom de Gaïaza Dites-moi. Alors je m'excuse pour la prononciation. Son surnom c'est El Mort, ce qui veut dire le cerveau ou la cervelle. Ça veut dire qu'apparemment c'est un joueur de d'intelligence supérieure et c'est vrai que c'est un pion essentiel dans ce collectif là. Il a un impact physique, bon, assez euh, évident, mais c'est aussi un, 17-16 euh, le, euh, à 56 euh, secondes, 56 points une seconde, l'AS Douane a pu refaire son écart, a recollé et cela doit faire énormément plaisir à nos auditeurs de Dakar et du Sénégal tout entier. Leur équipe est de retour, ils jouent un meilleur basketball, ils arrivent à exécuter leur attaque, la balle bouge, et ça ressemble un peu à cette équipe euh, des douanes qui avait joué son premier match et et, et, qui emporté, emporté euh, largement. Donc aujourd'hui, ce match, euh, euh, comme on le dit, c'est le quart de finale. C'est vous gagnez, vous restez, vous perdez, vous rentrez à la maison. Est-ce que les douanes pourront continuer à jouer de la sorte On vient de voir l'entrée de Aragdi, ce garde, ce, meneur de jeu qui a été extraordinaire lors du match précédent dont il a été MVP. Mais nous reportons dans le direct et nous allons voir euh, ce qui va se passer. Ballon à l'AS Douane euh, du Sénégal. peur quand même pour Comme on a ce à, à passer un 6-0, il a fallu le temps. Mais ça y est, les Sénégalais sont bien dans le match. Ils ont un ballon pour prendre la première avance de leur partie bail qui travaille, qui oh. ressort pour personne, c'est n'importe quoi, c'est dommage. ça parfois la peur, la peur du contre vous fait commettre ce genre d'erreur. Est-ce que c'est pas le maillot de l'arbitre qui a un petit peu un. Ah, peut-être, oui, les arbitres. Regardez, regardez le maillot. Euh, oui, oui, similaire à celui de ah, C'est un peu. Euh, ça aussi, ça peut jouer. Je veux pas euh, lancer des infos comme ça, mais bon, peut-être qui est pas gêné par un problème de maillot. Lui par contre, Chris Crawford a 3 points. Bon. Ça fait 0 sur 3 pour lui. Hein. Allez, dernière possession de ce premier carton. Ballon dans les mains de celui qui est chaud. Ah. Et dommage, il a fallu que je dise ça pour qu'il euh, provoque ce euh, qui marche en fait tout simplement. Il y a un nombre incalculable de marchés sifflés dans ce tournoi. Et à chaque fois, les joueurs sont surpris. Alors, la, plupart des marchés, d'accord, il y en a beaucoup qui sont là. Mais c'est vrai que les joueurs eux-mêmes ont du mal à comprendre pourquoi on leur siffle certains marchés. Non, mais je vous avoue que moi-même, parfois, hein, nous-mêmes, parfois, on est aussi étonnés parce que cette notion de pas zéro, il va falloir que les entraîneurs, les arbitres, l'enseignent correctement aux joueurs. En tout cas, on a vu l'accélération de Wael Ragji qui a mis le turbo là pour finir main gauche. Il a, une qualité incroyable. Hein. Son style, si particulier, regardez. Voilà, se protège avec l'épaule opposée pour finir, mais gauche tranquillement. Une technique soyeuse et vraiment un, un QI basket très élevé, un joueur euh, hors du commun. Sincèrement, pour ceux qui le rencontrent et qui le connaissent désormais, c'est un régal. Eh ben, fin du premier carton sur euh, légère avance euh, de l'US Monastir 19 à 16 euh, devant l'AS Douane qui a pu refaire son retard et nous allons avoir un nouveau match. On a pu voir l'entrée de Arakji qui est un joueur exceptionnel d'ailleurs qui a marqué ce dernier panier qui leur a permis d'être à trois points. Cette équipe des Douanes avait la balle pour passer devant euh, l'équipe de Monastir. Malheureusement, ils doivent faire attention à leurs appuis. Euh, Faille a malheureusement marché et ça a redonné la possession à cette équipe euh, euh, de Monastir qui pour le moment dans ce premier match on a vu ils marquaient des paniers faciles mais finalement ils sont du moins joués à jeu égal avec cette équipe de Douanes qui, qui jouent sans complexe puisqu'ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner. Et ils nous offrent un, match assez plaisant. Il va falloir maintenant qu'ils se concentrent sur l'ensemble euh, des autres cartons. Là, ils doivent bien négocier le deuxième carton pour rester euh, euh, très proche au score de cette équipe de Monastir. Mais nous repartons dans ce direct pour, la deuxième, pour le deuxième carton 19 à 16 pour US Monastir. un peu poussif pour la S-Douane. L'équipe sénégalaise est bien revenue au contact. 19-16, une grosse possession d'écart, mais le ballon est dans les mains de l'US Monastir. Crawford, Gayaza à l'intérieur, qui va ressortir pour Araji. Ben Romdan est trouvé encore une fois sous l'arceau, mais c'est c'est tellement facile. Mais il a une position. Oh là là, attention. c'est deux points ça Déjà, quand vous leur faites pas de cadeaux, ils sont bons, alors faut pas leur en donner. C'est dommage. Il a fallu que je dise qu'il y avait une possession d'écart. La position de Ben Romdan sur la zone de la de la, oh défense de Chris Crawford. Je suis désolé Malik, je vous coupe, mais regardez cette défense encore une fois. Il, prend juste le ballon. Si vous présentez votre ballon, ben on vous le prend. C'est comme ça. allez, essayer de trouver peut-être un petit peu de, j'allais dire, d'esprit collectif. C'est pas comme ça, hein, malheureusement. il, force, un peu sur ce tir derrière, ça continue à courir. Regardez Ben à, a trouver des paniers tellement faciles. El Mabrouk à 3 points. C'est une super position de shoot. Et forcément, à chaque fois qu'ils vont avoir ces positions-là, ils vont shooter. Ça ne rentrait pas dans le début de match. À un moment donné, ils vont être sanctionnés, l'équipe de la S-Douane. Encore une fois, tout part du Macron euh, Ben Ramdan qui est en poste haut, qui donne le ballon, qui coupe dans la raquette, qui le reçoit et qui va le ressortir à l'extérieur pour El Mabrouk. Le El Mabrouk, justement, hein, Raji va aller tout seul. Et le panier ne sera pas accordé parce qu'il y a un marché, tout simplement. Est-ce qu'il n'aurait pas une bonne tête de MVP, M. Ben Romdan bah, c'est pas impossible. Si son équipe gagne, bien sûr. Si, on arrêtait là, bien sûr. Ouais, si on s'arrêtait là, pour moi, oui. Mais bon, il y a, des, tellement de bons Il y a des clients. Hein. Il y a des gros clients. Allez. Plus 10 le shoot avec la planche, bien joué, très beau toucher, très bel angle. Trouvé par Camara. Camara qui a pris le dessus sur Gayaza au niveau de la position préférentielle. Il joue petit, hein, les Sénégalais. on ils le choix c'est, <laughs> Voilà, c'est le problème. marcher encore une fois. Allez, deux stops consécutifs. C'est bien, essayer de trouver euh, deux bons shoots consécutivement désormais. Alors on ramène le plus grand de l'équipe. Atia est de retour. Il paraît que son numéro, Malik, 42. C'est parce qu'il faut 42 minutes pour en faire le tour. Très large l'épaule. Atia qui pose de très très bons écrans. Vraiment un, joueur intéressant aussi dans cette équipe qui rend vraiment de oh, très bons services. à que fait oh là là là là, c'est dommage. Ça, ça se termine en airball, malheureusement pour lui. Ah tiens, l'Égyptien, hein. on ne l'a pas précisé. Qui avec Sadi, un des deux étrangers africains, bien sûr. Il y aussi. El Mabrouk. Ah, c'est pas bien senti ça. Le ballon va être rendu quand même à Atia qui s'est bien battu, hein, c'est ce que je disais encore. Vraiment, il a toujours vraiment cet esprit de se battre sur tous les ballons. Ah, il fait un bon écran en tout cas avec son corps. Voilà, regardez. il a une promptitude dans, le haut du corps, dans les mains, pour vraiment être un, bon intercepteur malgré son, son apparence un peu lourde, mais il est, Vraiment très bon défenseur ce garçon. Faille, 7 minutes 20 à jouer. Dans ce deuxième carton, Coquelet